Euh, il faut que les gens comprennent. n'est pas euh, nécessaire forcément d'avoir euh, des animaux pour faire de la culture pro-agir Si vous avez la terre et les conditions réunies pour faire de la culture l'eau, je veux dire, vous pouvez produire et vendre à ceux qui ont C'est ça l'expérience au niveau du CRZ, avec les jeunes. Voilà, c'est ça. Ils vont produire, c'est pas forcément effectivement des éleveurs, mais ils vont produire ils vont mettre un bot et ils vont vendre effectivement aux éleveurs dans le périmètre de Dar. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut qu'on raisonne en termes de chaîne de, valeur. Il y a beaucoup de métiers dans ce Chacun doit se positionner dans un secteur et faire quelque chose. C'est ça. Mais, j'ai mis tous les ministres de l'élevage, mais pareil, ça n'existe pas. Il parle avec le cœur. Il aime bien la chose. En tout cas, j'ai envie de s'applaudir là. C'est ça. On est que les techniciens, c'est le ministre. On veut que les élèves eh élèves. <laughs> Il faut que les élèves élèvent. Et puis, mon miroir. mon C'est ce qu'il fait Voilà, c'est ça. Il faut que les élèves. Parce que c'est du ah temps c'est beaucoup de temps de travail élever c'est beaucoup de temps de travail mënoo ne def pas pare dem di bay am na ñeen ñu def et il faut distribuer les revenus sur l'ensemble de la filière et chacun en ce qui le concerne a lu muy lu et donc c'est une chaîne comme ça son nom le dit et connaître juste gis ci Juste boppam gis monsieur le ministre vous êtes en train de dire que sénégalais Sénégal, war nañ gëm seen de liggéey seen suuf mu génne exactement exactement dans le domaine de l'élevage il y a plusieurs métiers. bay ñax métier la. Euh, nawet bi ñetti weer la ñeenti weer buñ ci jógee ñax mi wow. ñax hmm. mu wow nag mënu la may yàpp. mënu la may meew. ñax bu wow. mënu la may yàpp. mënu la may moom rek mënu la may yàpp mënu la may meew. li tax ñu naan nawet meew mi dafay bari ba ñu koy tuur ñax mu tooy mi moo tax. kon bu ñax mi tooy bi demee rek meew mi wàññeeku exemple Jolof a nga demee. il nous faut maintenant ci année bi yëpp ñu mën cee am ñax mu tooy donc di mën a am meew. di am yap, loolu nak moy culture fourragère bu ne culture fourragère nak liñu bëgg moy xalé yi dem def ko métier ndax koom mu ngi ci biir bu ko défé def ko bot yu rafet comme niñ koy défé ci réewu tugal yi diko jaay ñi nga xamné ñom seen métier moy yar exactement ñoñu buñu ñu am ñeen ño xamné ñom lañu jëfënté moy tout ce qu'on appelle mise en marché après exactement transformation boucher yaa ci le nek ngi ci kenn parce que l'homme aux douze métiers boko set l'homme au douze métiers donc kenn ku ci nekk dafa am fo xamne parce que bo fa sa temps yëpp nga def ko foofu day tax nga gën gëstu te gëstu boobu moo ngay gëstu nag mooy indi innovation loo xam ne gisoo ko woon nga koy gisee da nga ciy jàng bu ko defee nag